Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal de 20h30. Suite à la décision du président de la République de la reprise de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat série D session 2023, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a animé un point de presse afin de donner d'amples explications sur cette décision du chef de l'État. Les précisions dans un instant. Soyez les bienvenus dans ce journal que nous débutons avec le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, qui a quitté Niamey ce samedi 8 juillet 2023 à destination de Bissau, en Guinée-Bissau, où il participera à la 63e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement notamment de Hassoumi Massoudou, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, de Hamad Joudoud, ministre des Finances, de Youssouf Mohamed El Mokhtar, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de l'intégration africaine et de Ibrahim Sani Abani, directeur de cabinet du président de la République. Et puis notons que le président de la République, euh, chef de l'État, est arrivé en fin de matinée de ce samedi à Bissau. Le chef de l'État et sa délégation ont reçu un accueil chaleureux résumé par nos envois spéciaux, Ousmane San Abdou et Loli Moutari Menassara. C'est sous un temps légèrement ensoleillé que le mont Grebuna à son bord, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a atterri à l'aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau. Il a été accueilli à sa descente d'avion par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération bissau-guinéenne, Madame Suzy Carla Barbosa, en présence du président de la commission de la CDAO, Dr Alio Touré, et du consul honoraire de la République du Niger auprès de la Guinée-Bissau, Aminou El Le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a par la suite reçu les honneurs d'un détachement des forces armées bissau-guinéennes, puis une animation artistique et culturelle. Le président de la République a enfin eu un tête-à-tête au salon présidentiel du dit aéroport avec la ministre d'État chargée des Affaires étrangères et de la coopération. Dans la capitale Bissau, le chef de l'État Mohamed Bazoum présidera ce jour même une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine YOMOA, en sa qualité de présidente en exercice de cette institution sous-régionale. En marge de la session extraordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA qui a présidé cet après-midi à Bissau, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a eu plusieurs entrevues. C'était en présence notamment du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération Hassoumi Massoudou, du ministre des Finances Ahmad Jidoud et du directeur du cabinet du président de la République Ibrahim Sani Abani. Le résumé avec nos envois spéciaux, Lolo Sarah et Ousmane San Abdou. Aussitôt installé dans sa suite présidentielle au Bissau Royal Hotel, le président de la République Mohamed Bazoum a accordé plusieurs audiences. Il a reçu d'abord le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Jean-Claude Kassibourou, puis le président de la commission de l'UMOA, Abdoulaye Diop. La troisième audience, Mohamed Bazoum l'a accordée au vice-président de la République ivoirienne, Moko Meliette Kone, représentant le président ivoirien Alassane Draman Ouattara. C'est normal que, compte tenu des relations que nous avons avec euh, le Niger, que je vienne saluer à son arrivée le président de la République du Niger et échanger avec lui sur des questions qui sont des questions ordinaires. Mais lui transmettre d'abord les salutations du président Alassane Ouattara qui malheureusement ne pourra pas venir et que je représente. Donc à cet effet, je suis venu saluer le président Bazoum. Les questions de coopération et surtout d'intégration régionale étaient au cœur des échanges entre le président Mohamed Bazoum et ses personnalités. Le Conseil des ministres de la CDAO a tenu du 6 au 7 juillet sa 90e session ordinaire à Bissau. Les travaux ont principalement porté sur l'examen des différents textes de l'espace communautaire. Le résumé de la cérémonie de clôture avec nos envois spéciaux Hawa Maman et Suleiman Boubakar. La qualité des interventions lors de la 90e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO a été hautement appréciée par les acteurs. Dans l'ensemble, les travaux ont contribué à avoir une vision globale de la situation de la communauté dans l'optique de faire face aux défis multiformes et multidimensionnels dans l'espace. Grâce aux présentations qui ont été faites, à l'analyse et aux discussions des documents et des points inscrits à l'ordre du jour présentés par la Commission de la CEDEAO, je suis confiante dans la capacité et la résilience de notre force collective à améliorer la situation économique et financière de notre communauté de manière à permettre ainsi ensemble la promotion d'un développement durable, effectif et inclusif en faveur des jeunes et des femmes, conformément à la vision 2050 cela devrait nous permettre d'atteindre la totalité des mesures établies en vue de la réalisation de l'objectif d'une communauté stable, démocratique, unie, cohérente, qui respecte les valeurs de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Je voudrais encore une fois féliciter le président de la commission ainsi que sa vice-présidente et tous les commissaires et autres au cadre de la CDAO pour la qualité des mémos et des rapports présentés au cours de la 90e session de notre Conseil aujourd'hui. Au terme de ces assises, les ambassadeurs de l'espace communautaire sensible à la queue chaleureux dont ils ont fait l'objet ont témoigné à travers une motion de remerciement leur reconnaissance au président de la République Oumarou Sissoko Mbalo, au gouvernement et au peuple bissau guinéen Et puis tout juste euh, après cette euh, clôture des travaux, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération s'est prononcé sur cette rencontre préparatoire du sommet des chefs d'État ou du gouvernement de la CDAO qui se tiendra ce dimanche à Bissau. Nous l'écoutons. Ici, il s'agissait d'examiner l'évolution des textes dans tous les domaines de la, vie euh, économique et politique de notre région, notamment en matière d'énergie, en matière d'infrastructure, en matière d'industrie, euh, en matière euh, de justice euh, et d'examiner aussi les questions liées à la, sécurité et à la paix dans notre sous-région. Donc voilà, toutes ces questions ont été examinées et nous avons fait des avancées du point de vue réglementaire. les textes ont évolué du point de vue de, l'activité économique et de l'activité réglementaire juridique de notre sous-région. En particulier, nous avons eu des rapports sur la monnaie unique, des rapports sur le libre-échange, des rapports sur les différents corridors. Et donc, euh, cela a été adopté. Nous avons aussi examiné euh, la question, la situation de sécurité dans la région, notamment les pays en transition. Donc toutes ces questions ont été examinées et ce Conseil des ministres prépare aussi pour le sommet des chefs d'État qui aura lieu ce dimanche et qui prendra des décisions. Notamment, l'enjeu principal, c'est comment examiner l'évolution de la situation sur le plan politique des trois différents pays euh, en transition et euh, aussi la question du mandat des présidents de la conférence des chefs d'État, c'est un mandat d'un an. Donc le renouvellement du mandat à la tête de la CDAO, le président Mbalo euh, va céder sa place à un autre. Donc les chefs d'État auront à désigner son successeur. Notre euh, organisation, notre communauté est vivante, elle évolue à travers ses textes, à travers ses directives, à travers ses actes. Notre communauté se porte bien. Suite de cette édition, nous l'annonçons en titre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a animé cet après-midi un point de presse. Au cours de cette sortie médiatique, il a été question pour le PhD Mahmoud Jibo d'apporter ses explications sur la reprise bientôt de l'épreuve de mathématiques pour le baccalauréat série D session 2023 suite aux erreurs constatées dans la formulation du sujet lors du dernier conseil des ministres. Nadia Mohamed et Tijani Ibrahim pour le compte-rendu. Sur instruction du président de la République, l'épreuve de mathématiques pour le compte de la série D du baccalauréat session 2023 sera reprise systématiquement pour les candidats refusés et de manière facultative pour les candidats admis. C'est l'information essentielle qu'il faille retenir du point de presse animé cet après-midi par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y a eu des erreurs dans le sujet. Alors seuls les membres des différentes commissions ont connaissance des trois sujets proposés par discipline dont le directeur général de l'OBEX retient un seul. Et pour un souci de confidentialité, il ne peut pas le partager. Donc, dans l'ensemble du Niger, il n'y a que les membres des commissions de sélection de sujets qui savent quels sont les trois derniers sujets proposés. Et il n'y a qu'une seule personne en dehors de Dieu qui est le directeur général de l'OBEX, qui sait quel est le sujet qu'il a retenu. Vous comprenez qu'on ne peut pas recourir à des tierces personnes pour relire les sujets. Et puisqu'on ne peut pas le faire sans créer les conditions d'une fraude à grande dimension, il est normal quand c'est trois personnes qui choisissent et qu'une seule personne fait le choix final, qu'il ait des erreurs parce que cette personne n'est pas spécialiste de toutes les matières. Et quand il y a erreur sur un sujet, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, le candidat ne peut pas trouver la solution. Ensuite, il perd confiance en lui. Puis, il perd énormément de temps. Et quand on sortit de l'épreuve, il se rend compte qu'il est passé à côté ou il soupçonne qu'il soit passé à côté. Ça affecte son assurance pour la poursuite des autres épreuves. Particulièrement, c'est les sujets de mathématiques en série D. Et le président de la République a estimé qu'il y a une injustice pour ses enfants. Et il a instruit de réparer cette injustice de la manière la plus radicale. Il s'agit d'organiser rapidement la reprise de cette épreuve. C'est seulement l'épreuve de mathématiques pour la série D qui sera reprise. Tous les candidats au bac D 2023 sont autorisés à reprendre. Je veux dire, aussi bien les candidats refusés que les candidats admis, qui estiment que leur chute à l'épreuve de mathématiques est liée à ces erreurs dans le sujet et qui pensent qu'avec un sujet normal, ils peuvent décrocher la mention. Tout le monde le droit de reprendre. Et quel que soit le cas de figure, on ne retiendra in fine que la meilleure note. Au cours de cette sortie médiatique, le ministre Mamoudou Joubo a indiqué que la rumeur a été entretenue bien avant avec les spéculations sur l'élaboration des sujets, le choix des correcteurs, les cas de fraude et les réclamations avant de s'apesantir sur les résultats catastrophiques enregistrés cette année. 92 956 candidats, toutes séries et toutes spécialités confondues, étaient inscrits. De ces candidats inscrits, 89 813 se sont effectivement présentés. À l'issue des délibérations des premiers et seconds groupes, 22 660 candidats, dont 8 786 filles, ont été déclarés admis, ce qui donne un taux de réussite médiocre de 25,33%, toutes séries et spécialités confondues. Par rapport à 2022, cela enregistre une baisse de 3,72 points de pourcentage. Et c'est environ 3000 bacheliers de moins qu'en 2022, ce qui est une catastrophe notre pays. Notez enfin que la date de la reprise des épreuves de mathématiques série D sera communiquée ultérieurement avec comme formule ultime le premier groupe. Partons à Tilaberi avec euh, une mission conjointe euh, autorité du bassin du Niger ABN et l'agence du barrage de Kandaji qui a séjourné du 7 au 8 juillet 2023 à la base du barrage de Kandaji. C'était dans le cadre de la supervision du programme Kandaji. Le compte-rendu est signé Abdoulaye Soumana et Amadou Ibrahim technique et financier, agence du barrage de Kandaji, ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. À leur tête, le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger était du 7 au 8 juillet 2023 à Kandaji. Une mission qui fait suite à celle du panel d'experts indépendants qui s'est déroulé du 7 au 13 mars 2023. Il s'est agi à travers ce déplacement d'aller s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du barrage, l'état de mise en œuvre des principales recommandations formulées par ces importantes missions, entre autres au cours des 48 heures à la base vie de l'agence du barrage de Kandaji comme sur le terrain. À l'occasion des échanges, la mission a été édifiée sur le niveau de mise en œuvre des activités et les difficultés rencontrées. Nous retournons avec beaucoup de satisfaction. On a vu sur le terrain, euh, il y a une réalisation maintenant qui est à hauteur de 30%, mais il y a autres réalisations qui sont cachées. À titre d'exemple, les coopératifs qui sont installés dans le cadre de première installation par un. Il y a trois coopératives, Gabou, Kandaji et Famali. Les trois coopératives, elles ont aménagé de 2000 hectares. Et il y a euh, plus de 3400 foyers qui bénéficient de parcelles où on cultive le riz des saisons dans l'année. c'est ça, dont nous sommes contents, il y a euh, à peu près 216 femmes aussi qui ont leur propre parcelle en tant que chef de famille. Et aussi, ce qui est étonnant et intéressant, le moyen de production par hectare, il est de 6 tonnes en riz paddy. Et ça, c'est vraiment un record très important. Donc toutes ces installations-là ont permis euh, à la population d'avoir un revenu supérieur et la preuve en est que euh, tous, ils ont remboursé les avances qui étaient données par le projet en termes euh, d'entrants et le magasin était plein et que tout le monde a remboursé et surtout que c'est en nature. Donc euh, la population aussi a montré sa satisfaction. Outre le plan de réinstallation de la première phase, la mission s'est aussi intéressée aux questions liées au par deux Le programme Kandadji est l'un des projets structurants du schéma d'aménagement et de gestion du bassin du Niger de l'autorité du bassin du Niger. Autre aspect de cette édition avec la clôture cet après-midi dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères du quatrième Forum des gouverneurs du bassin de lac Tchad. Une satisfaction pour les partenaires, les gouverneurs des huit régions et le secrétaire exécutif de la CBLT. Le point avec Zénob Bolomé et Mohamed Soumana. Le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun passe la présidence des gouverneurs du bassin du lac Tchad à son homologue tchadien de la province Adjerlamis. Lamis. Cette passation de pouvoir marque le début de la cérémonie de clôture du quatrième forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Aussitôt investi, le président entrant passe à la lecture du communiqué final, remerciement à l'endroit des participants et partenaires Recommandations et jeunesse des trois jours de travaux avant de jeter les bases du cinquième forum qui se tiendra au Nigeria. La tenue de la présente édition du Forum des gouverneurs du bassin de lac Tchad a une fois de plus été l'occasion d'examiner de fond en comble les stratégies d'action prioritaires et les initiatives locales, nationales et régionales dans la résolution des enjeux et défis complexes de cette région affectée par la crise Boko Haram. L'administratrice adjointe du PNUD et directrice du Bureau régional pour l'Afrique a félicité les participants pour la qualité du travail abattu pendant ce forum et a exhorté partenaires, autorités régionales et forces multinationales à maintenir le cap afin de ramener définitivement la paix dans la région. Même appréciation du côté du ministre de l'Administration du Territoire, de la bonne gouvernance et de la décentralisation représentant le président tchadien qui s'est dit honoré d'abriter le présent forum, un moment d'intenses travaux de réflexion et d'échange. À l'ouverture solennelle des travaux, il y a trois jours, j'ai souligné notamment la nécessité d'une approche multisectorielle et coordonnée d'initiatives locales, nationales et régionales dans un environnement caractérisé par une dynamique de conflits et de défis émergents, ayant de graves répercussions au niveau politique, social, économique et climatique dans nos pays affectés par la crise de Boko Haram et les conflits connexes. Il conclut en invitant les participants à s'approprier des expériences partagées et les recommandations afin de continuer la poursuite de l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations affectées par la crise du Boko Haram en termes de sécurité, de paix, de développement et d'intégration régionale. L'ambassade du Royaume-Uni a initié dans la soirée d'hier un concours intitulé English Talent Night, une première initiative qui met en compétition des talents dans divers domaines artistiques et qui vise à promouvoir la langue anglaise. Plus de détails avec Mme Ibrahim Sabi et Hassan Moussa. Initié par l'ambassade du Royaume-Uni au Niger, English Talent Night a pour objectif, entre autres, de promouvoir la langue anglaise. Une première qui va mettre en avant des talents nigériens et d'autres nationalités en compétition sur diverses œuvres, notamment le poème, le chant et la narration. Une manière pour eux de démontrer chacun sa performance dans son domaine. C'est une initiative qui cherche à encourager les jeunes au Niger d'apprendre euh, l'anglais et de, de voir euh, qu'on peut apprendre et apprécier la langue anglaise, pas seulement à travers les études à l'école et à l'université, mais aussi à travers euh, la musique, la télévision, l'art, la drame, la poésie, euh, les, discours motivationnels. C'est un événement qui nous permet de nous approcher à la jeunesse nigérienne. Comme vous allez voir dans la salle, euh, c'est uniquement presque euh, des jeunes qui sont présents des différentes universités. Donc c'était vraiment avec l'objectif de promouvoir l'apprentissage de l'anglais et de mieux s'impliquer avec la jeunesse. Ainsi donc, à l'entame de la soirée, les membres du jury ont tout d'abord tenu à rappeler aux participants à cette initiative l'importance et les avantages liés au fait de comprendre et parler l'anglais avant de les encourager à persévérer dans cette démarche. Le clou de la soirée fut la délibération par les membres du jury des résultats du concours English Talent Night. La troisième place revient ainsi à Jérémy Steve Abassi dans la catégorie chant la deuxième place occupée par Abbas Abdelwahid dans la catégorie de poèmes et la première place a été remportée par Vivienne Iguebe, catégorie narration. Les trois lauréats reçoivent respectivement deux smartphones, un ordinateur portable et cinq mois de méga offerts pour chacun des compétiteurs. Et puis notons que l'ouverture euh, ouverture cet après-midi à Bissau du sommet des chefs d'État ou de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le président de la République, chef de l'État, président en exercice euh, au sommet des chefs d'État, qui a présidé les travaux de ce sommet. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Actualité politique avec le mouvement pour les actions démocratiques des insoumis du Niger et de l'Afrique. Madine Africa a rendu public cet après-midi une importante déclaration. Dans cette déclaration, Madine Africa décide d'apporter son soutien à l'œuvre de construction engagée par le président de la République. Nous l'écoutons. Medina Africa rend publique la déclaration dont la teneur suit. Après un bon moment de lutte par les dénonciations et les critiques de la gestion de l'État, Medina Africa décide d'abandonner toute politique polémique. En effet, celle-ci n'avance en rien le Niger et ne mène qu'à l'autodestruction. C'est pourquoi il y a lieu pour le Front de se retirer purement et simplement de l'opposition politique. Les partis membres de Medina Africa, à savoir CNP Tawzain Alouma, CRDN Zamani, LPI Imoja, décident d'agir désormais pour 1. Soutenir et renforcer la volonté et les actions de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Bazoum, afin d'assurer la paix et la sécurité au Niger. 2. Mûrir et réaliser des stratégies politiques de lutte contre la pauvreté et l'ignorance dans notre pays. Début ce matin sur toute l'étendue du territoire national du concours d'entrée au Britannique militaire session 2023. Ce sont les autorités régionales respectives qui ont lancé les épreuves écrites du, concours. Le résumé avec Hamidou Kagala. Les centres uniques d'Agadez totalisent 103 candidats, dont 34 filles, à subir les épreuves écrites du concours d'entrée au Britannique militaire, sont 2023. Le gouverneur de la région Magaji Mamandada s'est rendu sur place pour lancer et encourager les candidats. Dans la région de Difa, ils sont au total 28 candidats, dont 12 filles, qui ont répondu présents à l'appel pour suivre les épreuves de ce concours. C'est le secrétaire général adjoint du gouvernorat qui a lancé le concours au niveau de l'école Bukhari Sabo de Difa. Cette année, Dosso compte 194 candidats, dont 60 filles, à, vouloir compétir pour le concours de Britannique session 2023. Le secrétaire général adjoint s'est réjoui des dispositions prises pour le bon déroulement de ce concours. En lançant ce concours, le secrétaire général du gouverneur de Maradi a salué le courage et la détermination des 119 candidats qui comptent sa région pour vouloir choisir de faire carrière dans le corps militaire. Tawa, c'est le gouverneur Issa Moussa qui a donné le coup d'envoi du concours à l'école normale de Tawa qui abrite les centres uniques de la région qui compte 146 candidats. Dans la région du fleuve, 85 candidats se sont inscrits pour les présents concours. Le gouverneur de la région de Tilaveri a fait le déplacement pour encourager les candidats. Le secrétaire général de la région de Niamey a lancé tôt ce matin les épreuves du concours. Cette année, la région de Niamey compte 2309 candidats, dont 870 filles. Avant le début des épreuves, le gouverneur Lowoli Amadou Madougou a saisi l'occasion pour prodiguer des sages conseils à l'ensemble des 164 candidats de la région des Anders. Il faut noter que toutes les dispositions ont été prises pour que ce concours se déroule dans les bonnes conditions, conformément aux vœux des plus hautes autorités de la 7e République. Et oui, bonne chance à tous ces candidats. Dernier aspect de cette édition, parlons sport avec les compétitions de lutte entrant dans le cadre de la troisième édition de la Coupe RTL qui ont débuté hier après-midi à l'arène de lutte de Maradi. 16 lutteurs à raison de deux par région participent à cette compétition organisée par la compagnie de téléphonie mobile RTL Niger. Le compte rendu avec Ablazi Isaka. Pour la cérémonie d'ouverture de cette troisième édition de la Coupe Ertel Kokowa, l'arène de lutte Kantou de Maradi affichait complet, rempli comme un œuf, avec la présence notamment remarquée du gouverneur de la région de Maradi et bien d'autres responsables administratifs et coutumiers de la région. Il y avait aussi la présence du premier vice-président de la Fédération nigérienne des luttes. Initiative de RTL Niger, la Coupe RTL Kokowa est organisée à travers l'agence de communication l'événementiel du Sahel. L'organisation périodique d'un tournoi de lutte traditionnelle demeure le plus grand, sinon le plus important soutien qu'RTL puisse apporter aux lutteurs car il leur offre l'occasion de s'exercer dans leur art et de se préparer aux futures échéances telles que la Coupe du Président de la République, le sabre national, le TOLAC. Pour rappel, le champion d'Artel Cocoa 2023 bénéficiera d'une somme de 3 millions plus une coupe. 16 gladiateurs de par région sont en lice pour le trophée de cette compétition. Le troisième plus grand rendez-vous annuel de lutte après le sabre national et la Coupe du Président. Pour sa première journée de compétition, la Coupe hertel Cocoa a consacré 8 confrontations. La première a vu la victoire de Adamo Abdou de Dosso sur Bello Ila de Maradi après 17 minutes et 35 secondes. Le deuxième lutteur de Maradi en lice a été terrassé pour le compte de la deuxième confrontation par Lawali la de Zender. Le troisième combat a opposé Murtala Abdou de Zender à Shid Chagon Yakuba de Niami. Victoire du lutteur de Niami, Chagon Yakuba. Pour la quatrième confrontation de la journée, Nour Hassan de Tawa a terrassé Anas de Dosso. Mansour Issa de Difa, quant à lui, est venu à bout de Hanasawa d'Agadez dans la cinquième confrontation. La sixième confrontation a enregistré la victoire de Sabo Abdoulaye de Niamey sur Afisou Hassan de Tilaberi. Fin de parcours donc pour le champion de Kerali du sabre national. Favori de cette compétition, Zakirou Zakari de Tawa a terrassé Dela Abagne pour la septième confrontation de la journée. La huitième et dernière confrontation a enregistré la victoire du champion de Tilabiri, Ousmane Hassan, sur Ayouba Hassan d'Agadez. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Télé Sahel. Bonsoir.